salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñuy seetaan à travers Grand Théâtre TV ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam tey nag euh, ñu ngi fi seet si suñu benn naataango koo xam ne artiste bu mag la kenn dootu ko présenté au niveau national mais international euh, kooku mu ngi tudd Mousto kamara Mousso Kamaraï, il est venu au Sénégal depuis, depuis mardi matin. C'est un grand monsieur de la musique guinéenne. Donc, il est venu pour rendre à César ce qui appartient à César. Vous savez, ici au Sénégal, il y a beaucoup de Guinéens qui vivent dans notre pays. Donc, je vais vous laisser. Je vous laisse avec Mousto. Il va faire... Il va se présenter. Il va vous parler. Il va, il va vous dévoiler et pourquoi il est venu au Sénégal et qu'est-ce qu'il est venu nous apporter. Moussa, comment va Ça va, merci. vous êtes là depuis quand euh, Je suis là depuis mardi matin. Ok. Je pense que c'est la première fois que vous, venez au Sénégal. Non, c'est ma deuxième fois. Ah bon Ouais, l'année passée, j'étais là. L'année passée, avec qui J'étais là sur après ma dédicace euh, à Conakry le 7 avril et le 8 j'ai pris mon vol. J'ai fait deux concerts live ici pour réclamer parce que euh, non seulement il y a beaucoup de sous là-bas, il y a beaucoup de Guinéens, mais aussi euh, j'étais trop consommé là-bas. C'est pourquoi voilà, ils ont nécessaire de me faire venir. Donc, comme vous l'entendez bien, donc Mousso doit jouer le lendemain de la Tabaski au Grand Théâtre. Et pourquoi le choix du Grand Théâtre ben, En tout cas, moi personnellement, ça me fait un grand plaisir, non seulement d'être à Dakar, mais aussi ça me fera plaisir quand je passe au Grand Théâtre. Parce que si nous prenons par exemple l'exemple sur, sur France, il y a des grandes salles de concert à Paris. J'ai visité pas mal de, de salles là-bas, telles que les Dibis, les Bataclan, les Percy, les Zéniths. Et, Grand Théâtre, c'est comme si c'était, en tout cas, Zénith de Dakar. Bah oui. <laughs> ok. Donc, mais, donc euh, vous êtes venu personnellement avec votre orchestre, je pense. Oui, je suis venu avec, euh, avec mon groupe, surtout quelques musiciens. Parce que j'ai trouvé quelques musiciens ici. Mais je suis oui, oui, je suis venu aussi avec voilà, deux, musiciens. Deux musiciens. Oui. C'est facile parce que Grand Théâtre n'est pas une petite salle. Hein. Ah parce que après la, la répétition, on ne sait pas, c'était avant-hier, hier après la répétition, on était parti voir euh, le directeur de, la grande salle. C'est qu'est-ce que Bah oui, c'était pas évident. Donc je me suis rendu compte que, bah, d'abord, je dirais que la Guinée-Sénégal, c'est une famille. C'est une femme parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est plus de trois concerts j'ai laissé pour le concert du Grand Théâtre. Bah oui, je devrais, je devais jouer, l'intérieur. J'avais des concerts à l'intérieur et j'avais un concert <laughs> en Belgique, là où ma femme vit. Donc voilà, j'ai laissé tout ça venir ici. C'est parce que j'ai entendu parler du grands théâtre, Et on m'a dit que si on prend de l'Antiquité jusqu'à là où, en fait, jusqu'à <laughs> notre époque, je ne pense pas s'il y a trois artistes ou quatre artistes guinéens qui ont passé là-bas. Donc, dès qu'on m'a dit ça, je me suis dit, bon, il faut que je vienne. Ben donc, Parce que la de Guinée, ah, alors, ça veut dire comme c'est une famille, quoi. On est tous, hein, voilà, c'est tout. Ouais. Est-ce que vous connaissez des artistes sénégalais Oui, je connais les artistes sénégalais. Il y a même des artistes ici que je kiffe beaucoup. Ouais. Comme, comme qui <laughs> bah, Il y a, y a que j'écoute beaucoup. Oui. Mais Usundur, je l'écoute quand je suis à Paris. Quand je m'ennuie là, lui, je l'écoute. Ça m'inspire. Et Baba Mal, je l'écoute très bien. Lui aussi très bien. Mais voilà, euh, au niveau de la jeunesse, c'est souvent Walisek que j'écoute beaucoup. Lui, euh, il y a le style qui est là, donc ça va. Bon, il y a le style qui est là, mais je pense que vous, allez voir où aller après. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourra faire ensemble. Mais est-ce que. Qu'est-ce que ça vous fait de faire un duo avec moi ben, on dit toujours que la musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas de limites. Et en tout cas, ça me fait un grand plaisir. J'ai fait featuring avec les, les artistes des autres pays. Je pense que ça peut être aussi, en tout cas, un métissage, Voilà, entre Sénégal et Dakar, et Sénégal, euh, la Guinée. mais la cause qui a fait que j'ai choisi Wally. Wally, n'est ben, pas aujourd'hui. Hein. Lui, je l'aimais hein. depuis, En réalité, oui, oui. Moi, j'aime trop, en tout cas, un jeune qui, est cadré, et puis surtout dans le milieu musical, ça va. Et même les autres pays, ce sont les jeunes qui se sentent conscients que j'ai visé aussi, en fin de faire featuring. Avec Donc, vous avez fait combien de featuring depuis votre carrière euh, ben là, j'ai fait pas mal de featuring. J'ai fait plus de 7 featuring. Ouais, parce que j'ai fait featuring avec euh, d'abord les artistes, euh, les frères de les artistes de, chez nous de la Guinée. J'ai même suivi votre featuring avec Foudé pardon. J'ai fait featuring avec Foudé, j'ai fait featuring avec Azaya, j'ai fait featuring avec Instinct Killers j'ai fait featuring avec Issa Djibati. Bah, et des autres pays, j'ai fait featuring avec Siliki Djibati, voilà, qui est même un, des extraits de mon troisième album. C'est déjà prêt. voilà, donc je me suis dit, si je viens ici, essayer de tenter si ça peut passer avec Wally aussi. la musique guinéenne n'est pas trop difficile comme ça. En fait, euh, la musique en général, c'est l'écoute. Tu écoutes bien, attentivement, tu as la tête tranquille en tout cas, tu, vas atteindre où tu veux. Parce que euh, la musique dépendra de ça, c'est de l'écoute. Tu l'oreille musicale, tu vas chanter n'importe quel regard. Mais aussi, je joue, je fais la répétition avec quelques musiciens sénégalais. Mais j'arrive aujourd'hui, quand je me suis levé, j'ai chanté. Malgré que je ne comprends pas la langue Wolof, mais j'ai essayé de me retrouver un peu dans les games. Et puis j'ai dansé Wolof. <laughs> le bassiste m'a dit je le prendre. <laughs> <laughs> Donc, voilà, on dit souvent que l'avenir est dans le métissage. vous savez que euh, Guinée et Sénégal sont deux pays frères. Donc, euh, il est là, il s'appelle Mosto Kamara. Il joue le lendemain de la Tabaski au Grand Théâtre. Est-ce qu'il y a des surprises pour, la soirée il y, a, plein de surprises parce que là, là, je suis dans les préparatifs pour mon troisième album et je pense qu'il y a quelques titres du troisième album qui seront dévoilés ici, Inch'Allah. Mais et la communauté guinéenne, comment ça, ça passe ah, Ça se passe très bien. Côté de la communauté guinéenne, bon, je peux le dire que je suis un prince. Hein, et elle me considère comme un prince parce que c'est pas évident, c'est pas n'importe quel artiste qui, qui peut remplir un palais du peuple à un jour ouvrable. Moi, je l'ai fait à un jeudi et le vendredi, les gens sont partis au boulot à partir de 19h, j'ai fermé la clé. J'ai fermé la porte avec la clé, puis j'ai jeté. Donc, euh, avec le public guinéen, ça va. Quand je sors, pour eux, c'est comme si c'est un prince qui est sorti. Parce qu'il y a Néné, Néné qui me dit, qui me dit la fois passée, il est comme Wally sec en Guinée. Bah mais qu'est-ce que ça vous fait d'être, qu'on vous, considère comme, prince Ben, en fait, euh, dans ce milieu, il y a, toujours, euh, y a toujours une question de choix, de préférence, ça va. En tout cas, l'artiste que tu préfères, ça va. L'artiste que toi tu vis, ça va, tranquille. en tout cas, à Dakar, ici, franchement, au niveau de la jeunesse, c'est lui que je vise beaucoup. Comme si vous prenez à Bamako, c'est celui que je vise. Et quand j'ai fait featuring avec celui que je me suis dit, il faut que je fasse avec Wally. Parce que, en tout cas, ça, j'avais ça à l'idée depuis depuis. Wally, quand il jouait à Paris, j'étais là-bas, j'étais à Paris. Euh, le jour qu'il était parti faire, je sais pas c'était quel concert, si c'est la nuit du Sénégal ou quoi. J'étais à Paris, mais j'ai pas eu l'occasion d'assister à son concert. À son concert. Et je pense que vous aurez l'occasion d'assister ici au Sénégal. Bon, gis ngeen mbokk yi xarit yi ñi ngi ak Mousso Camara di ndaanaan bu mag di artiste bu mag a mag mu Guinée ba Sénégal li ko mooy fas ne bégal ay mbokk Guinée yi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal comme suñuy artistes yi ni ñu koy defee jóge Sénégal dem Europe wala jóge Sénégal dem Guinée jóge Sénégal dem feneen ngir bégal doomi réew yi nga xam ne ñooy dund foofu ndaxte artistes yi gis nga li la ñuy daj parfois ñu woo leen ñu bàyyi tabaski seen ginnaaw bàyyi njaboot ginnaaw bàyyi yaay ginnaaw dem bégali ay jàmbur donc ñi ay ambassadeur lañu ñu war leen jàppale war leen tete war leen gunge donc moom nag mi ngi tëgg lendemain tabaski di ndaanaan bu mag a mag nag di ndaanaan boo xam ne wax dëgg fa yàlla bu woyee rek ñu xam ne woy na donc dégg ngeen li mu wax bëgg na def duo ak Wally ndax comme def na ko Sidi kii def ko ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen modestie à part ndaanaan la donc on va essayer de parler aussi de de votre séjour depuis et Comment vous trouvez le Sénégal bah Là, il faut qu'on qu'on se dise la vérité. Hein. Sénégal, euh, est parfait. J'ai bien aimé. Moi, si je n'aime pas, j'aime pas. Je Je sais pas faire semblant. <laughs> Parce que l'année passée, quand j'étais venu, je n'ai pas pu profiter un peu parce que j'étais vite fait après la dédicace, Je suis venu le 8, le 9, Jésus et le 10, je me suis retourné, n'ai pas profité. Et là, depuis mardi, je suis là. Et le temps de quitter ici pour le lieu de la répétition, je traverse pas mal de choses. Et puis, je me suis dit, bah, écoute, Sénégal là est typique un plan comme France. Ça va, nos français, ça va ici. super j'ai bien aimé. merci beaucoup Mousso Vous ngeen mbokk que vous avez dit, indi woon tey mu doon loo Le simple relax waxtaan ak moom li ci des nag di ngeen ko gis parce que dinañ leen may benn kilibam bu ndaw ngeen xool affaire bu ndaw Mousso est-ce que vous on va essayer parce que c'est à la demande générale. Mousso va faire une petite acapella pour, pour ses fans, pour ses amis et pour, pour ses amis artistes. En tout cas, ça fait plaisir aussi. Hein. daddy! on, va, chanter, danser ensemble parce que c'est dans le temps du Olaf, comme ça. Yo daddy! Yo daddy Ako no umira ma shiri miko mugo mibo mo umira ulwe. Ambere ma jine na ubirina namiyo nanya nubabima. Hmm. Ambere ma na ambirina telephone ina suna yo ambere buri bansan. Immunantu bumuti trebuma anna wena awe mure bansan ina biri falama manu.